les combats pour la citoyenneté en Christ et du combat pour la conformité et Christ, à Christ. Nous devons comprendre que nous sommes citoyens du ciel. Et nous devons comprendre que nous devons nous conformer à Christ. Et nous avons vu des choses très intéressantes dans ces versets. Et nous voyons c'est des choses basiques, des choses, euh, les premières pas dans l'évangile. que nous devons toujours nous rappeler. Euh, et ici, nous avons parlé la semaine passée que, euh, que Jésus nous instruit selon la parole de Dieu à vivre une vie digne de l'évangile. Une vie digne de ses enseignements. Nous avons vu que dans ces moments-là que l'apôtre Paul parle aux Philippiens, il avait deux problèmes. Dans cette épître, nous avons vu qu'il y a deux problèmes essentiels sur ce passage euh, dans l'église, dans la communauté chrétienne. Il avait des problèmes extérieurs c'était la persécution. Comme il avait une communauté euh, romaine euh, là-bas dans cette ville de Philippe, il avait une persécution. Il avait euh, vraiment une pression sur les chrétiens locaux et des problèmes ici internes parce qu'il y avait des divisions dans l'église. Oh il y avait euh, des même une bagarre entre deux sœurs. Deux femmes qui s'opposaient dans l'église. Dieu merci, ici n'a pas d'opposition. Entre nous, Dieu merci, on ne s'oppose pas aux frères. Il y a des oppositions qui sont de bonnes oppositions. Quand quelqu'un voulait nous amener au péché, on s'oppose, on dit non, non, non. Ah, Moi je ne parle pas, ah, je ne te laisse pas ah, aller aussi. Je ne serai pas et je n'ai pas l'envie que tu le fasses. Mais l'opposition, juste pour la bagarre. Euh, la, fausse compréhension des choses. Tout ce qui est basé sur l'orgueil. Ah, Cela, ce n'est pas bon. Oh, Cela, nous devons enlever du milieu des oh, Amen. Donc il avait deux problèmes. Et ces deux problèmes amenaient des souffrances dans l'église. Oh, Donc euh, euh, ici nous allons voir encore qui avait deux affirmations. Deux affirmations ici. Dans ce passage principalement. Qu'il avait une citoyenneté chrétienne que nous devons lutter pour avoir. Et qu'il a une manière digne de vivre cette citoyenneté en Christ. On ne peut pas vivre n'importe comment. Nous devons vivre une vie digne d'un chrétien. Est-ce que vous comprenez cela? nous ne devons pas oublier que vous êtes, avant d'être citoyen ah, nigérien, avant d'être citoyen togolais, ah, béninois, burkinabé, hein. euh, vous êtes un citoyen du ciel. Ah, cette identité est la plus précieuse, ah, est la plus importante. nous ne devons jamais perdre. Amen. Vous voyez, moi ici, j'ai fait 12 ans au Niger. Je vous dis, je suis euh, vraiment euh, clair avec vous. Je, quand je rentre au hein, Brésil, parce que c'est à chaque 5 ans qu'on rentre au Brésil. Et là-bas, on dure beaucoup, on dure 2 mois. Après 5 ans, on revient. 2 mois après, on revient ici. C'est ça le temps que nous avons. Et c'est 2 mois là-bas que nous sommes là-bas. Nous nous sentons des étrangers. Dans notre terre dans ma langue. Et parfois, si je vais aller dans un endroit que les gens ne me connaissent pas, quand je parle, les gens m'ont demandé à ma femme Il est né où <laughs> Il vient d'où Il est de quelle nationalité Je ne me rassemble plus en brésilien. Parce que je commence à perdre quelques coutumes, quelques habitudes. Et c'est normal même surtout dans la langue. Le fait d'étudier de lire la Bible, de parler. À tout moment ici en français. Même dans la maison. Bah Mes enfants même parlent anglais déjà. Quand ils sont en train de causer, ils ah, parlent anglais. Quand ils nous regardent, ils parlent portugais dans notre langue. Et quand on les répond, on mélange français et portugais. Donc c'est ça la maison chez moi. Et quand on vient au Brésil, c'est pas différent. Les gens viennent, les gens ne prennent pas. Ça devait être facile, non? Ah, Mais le fait de, de de l'engagement que nous avons ah, pour prêcher au Niger, pour euh, être euh, en aide pour vous, en vous conseillant, en vous comprenant, en cherchant vous comprendre, en apprenant avec vous. Arrive le moment que nous commençons à oublier euh, ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous avons appris. Ça, c'est Dieu. Et je sais ah, qu'il y a aussi des Togolais qui, quand ils rentrent aussi au village, quand ils hein? rentrent euh, au, au pays, quand ils rentrent vers la famille, ou des Béninois ou hein. des Burkinabés, c'est difficile avec leurs enfants. Eh, ben, Parce qu'ils vont présenter les enfants aux parents. Et les enfants m'ont dit Lafia. Et l'enfant m'a regardé dit eh, Matarango. N'est-ce pas non, peut-être euh, il parle Zerma. Donc je vais répondre Zerma. Oui, nous pouvons être comme ça. Mais une chose est sûre, la citoyenneté céleste, c'est ça la plus importante. C'est dans ça que nous devons nous former. C'est par ça que nous, vivons dans le monde. Nous existons seulement pour accueillir, pour euh, vraiment euh, euh, conquérir pour avoir ses passeports, pour entrer à tout moment dans la présence de notre Père. Amen. Amen. Donc nous devons être fermes dans cela. Et vous voyez, une ah. chose est importante. Quand ah, nous lisons ici euh, dans l'épître aux Philippiens, dans euh, le chapitre 3 et dans le verset 20, il est dit ici, chapitre 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans cieux ah, dont nous attendons aussi comme euh, euh, sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons. Nous attendons. Je sais. Ici, quand vous dites, ah, parce que pour moi, parce que moi, je vais ah, voyager. Je, vois, je vais aller voir les parents. Je sais si vous arrivez à tout, toutes les possibilités de les faire. Quand vous avez déjà les moyens, quand vous avez déjà les billets coupés, ah, quand vous savez déjà la date fixe d'aller, ah, et que vous avez tous les moyens nécessaires, certainement il a une joie dans votre cœur. Ah, ah, certainement il a une paix, une tranquillité. Certainement il a quelque chose, un sentiment qui vous donne une certaine allégresse. Vois parents, vois les oncles, vois les grands-parents, vois les enfants, vois les cousins. Imagine la, la citoyenneté qui nous attendons. La vie qui nous attendons. La cité qui nous attendons. Au ciel. que l'homme sans passer par Christ ne peut pas rentrer. Si vous avez passé par Christ, vous êtes en Christ, vous avez le droit d'entrer, vous avez le droit de faire partie de cette cité, la cité céleste, rencontrer votre Père céleste, rencontrer notre Sauveur Jésus-Christ. Non, ça doit produire quelque chose dans notre Vous voyez pourquoi les chrétiens chacun Aujourd'hui, tu se réjouir encore. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit réjouissez toujours. Euh, Et il euh, dit encore réjouissez toujours. Parce que le jour s'approche. Chaque jour de notre vie, c'est un jour qui est, euh, qui passé. Mais aussi, c'est un jour qu'on a gagné. Ah, un jour qu'on a gagné. Un jour qu'on a triomphé envers le Seigneur. Un jour que nous avons la conviction. Que ah, le moment de rencontre avec notre Dieu. S'approche. Et pardonnez parce que ça là c'est pas joie. Ah, ça là c'est tristesse. Ah, parce que la mort est à côté. Parce que ah, tout le monde veut rencontrer Dieu mais personne ne veut passer par la mort. Oui. Peut-être quelques-uns parmi nous, comme dit Jésus, ne, ne vont pas voir la mort. Il s'est arrivé Peut-être. On ne sait pas. Mais nous, une chose est nous devons être euh, joyeux et hein. dans l'allégresse pour entrer dans cette cité céleste. Parce que nous retournons à notre euh, vraie euh, maison. Notre a, a véritable família. Notre éternel et seul E Amen. Et vous voyez ici, euh, euh, votre cité est notre plus grande patrie. Nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir quand nous entendons que nous allons rencontrer notre Seigneur. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent changer cela pour toutes les Voyez les jours de la Sainte Seine. Hein. Nous prenons la Sainte Seine en mémoire de qui En mémoire de qui de Jésus, non Pourquoi nous faisons cela Avec l'espérance que nous allons les rencontrer encore. Vous voyez cela Donc l'espérance que nous avons c'est de rencontrer Jésus encore, c'est de rentrer dans la cité céleste, c'est de rentrer dans le royaume de Dieu, éternellement, toujours, à jamais. Mais comment nous allons vivre dans ce monde Comment nous allons nous porter en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu Et vous voyez, nous devons comprendre que ah, euh, ce monde est reposé à cette cité que nous voulons. On ne peut pas penser. Vous avez compris la semaine passée, non Si j'ai pris ma femme ici par la main, je lui ai dit d'aller d'un côté, je viens de l'autre côté. Et là, il n'a pas de raison entre nous. Parce que oh, oh, oh, je le suis, on le suit. Donc, on suit le monde, hein. on prend de l'autre sens. Qu'est-ce que nous voulons Nous voulons prendre et suivre l'essence du monde, les hein. actions du monde. Nous voulons dire que nous sommes semblables à ceux du monde. Nous voulons dire que nous sommes ensemble avec ceux qui sont dans le monde. Et nous marchons dans la même voie. Que toutes les voies nous euh, fait rencontrer Dieu. Que toutes les chemins amènent à Dieu. Que toutes les bonnes œuvres amènent à Dieu. Non. Ah, ah. Ce qui nous amène à Dieu. C'est pouvoir suivre sa parole. Suivre sa vérité. Suivre ses conseils. Si on ne suit pas les conseils de Dieu, nous allons périr avec le monde. Nous perdons notre patrie, notre citoyenneté céleste. Et pour cela, nous devons vraiment vivre cette tension au monde. Le chrétien ne peut pas penser qu'il va vivre sans tension dans le monde. Il doit vivre, c'est différent, mes frères. C'est différent. C'est trop différent. On ne peut pas penser que c'est la même chose. Non, c'est semblable, c'est ah, pareil. Non, c'est presque la la même chose. notre religion hein, avec votre religion, hein, c'est presque la même chose. On change seulement la façon de prier. Non, non, non, Ce n'est pas la même chose. C'est différent. C'est différent. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison ah, Ils ont la raison du monde. Nous avons la raison de hein. la parole de Dieu. Ils suivent la voie du monde. Nous suivons la voie de Dieu. Donc, ils ont leur raison pour ce qu'ils cherchent cherche. C'est raison pour que nous cherchons. Donc vous allez toujours souffrir de cette tension. C'est tout à fait normal que vous vivez une tension comme celle-ci que nous vivons. La persécution, la réjection, le problème que vous souffrez dans ce monde à cause de l'évangile. Hein? C'est pas de mon péché. Il y a des gens qui pêchent, ils pensent qu'ils souffrent à cause du christianisme. Non, ils souffrent à cause de sa désobéissance. Ah, ah, ah, Quand on, on prend quelque chose, on ne paye pas. C'est pas à cause de l'évangile qu'on souffre. Hein. Euh, on est persécuté parce que la personne qui nous a donné de l'argent pas de Jésus. Quand on ment pour trouver quelqu'un, euh, trouver quelque chose, hein. quand on escroque là, et après on passe cinq mois, un an sans trouver de travail, ce n'est pas la souffrance parce qu'on est chrétien. C'est parce qu'on a escroqué. C'est lui qui nous a fait confiance. Et maintenant, une seule fois, je ne l'appelle plus. Dieu. Moi, j'agis comme ça. Si je que quelqu'un m'a escroqué dans un travail, on revoit mon frère. C'est tout. il y a un autre qui va faire dans ta place. Si j'ai besoin encore, ah, je ne veux plus l'appeler. E Chez nous, c'est comme ça. Nous cherchons la fierté. Même en tant que commerçant et client. E un commerçant, il peut quitter d'ici aller à Harobanda pour payer un kilo de tomates. Ah, Parce qu'il est client de cette personne. Même s'il va passer d'ici à Harobanda pour vous voyez combien de, vendeurs de tomates on va trouver. Mais la fierté, la confiance, hein. elle est plus que beaucoup de choses que nous gardons. Hein. Et c'est ça vous voyez ici, là, quand on commence à payer avec quelqu'un quelque chose, on vient et on lui fait un prix. On est là toujours avec lui. On vient, on vient toujours. Ah, et on a tellement de confiance on paie autre chose, on demande plus les prix. Quand on va demander à quelqu'un les prix, on a payé ici combien On a payé 15 000. Oui, c'est l'habitude. Ah, Mais ici, c'est combien Non, c'est 6 500. Eh, ça, c'est la fierté. J'étais fier à lui. Eh, mais qu'est-ce qu'il a fait Il a escroqué. Il mentit à tout moment. Il dit encore voilà c'est ça qui j'ai fait. j'ai gagné 200 francs dans cela. voilà au nom de Dieu. comme mais si on est chrétien, dit au nom de Dieu aussi, pour comme si on entend croire au cours du nom de Dieu. On croit parce que la Bible dit oui, ou non. Et l'homme, est normal que l'homme dit oui ou non. C'est l'homme qui est de la ah. La Bible dit que ça c'est malédiction. Ah, ah, Quand vous me demandez quelque chose, il ne faut pas attendre que je parle au-delà de oui ou non. Parce que le mot que Christ m'a donné c'est oui ou non.

C'est plaît à Dieu, comme dit les chrétiens ici. Mais les chrétiens qui sont trop habitués à parler Wallahi, qui quand on enlève Wallahi, ils dit toujours c'est plaît à Dieu. Ah, tu m'as invité, je te oui, c'est plaît à Dieu. Tu vas m'aider aujourd'hui, s'il plaît à Dieu. Tu vas prêcher aujourd'hui, s'il plaît à Dieu. Il est là, il est invité, il s'est préparé. Il a à son. tu vas prêcher, il il voulait dire voilà, il a changé seulement. Il voulait jeter la responsabilité de sa chute dans la main de Dieu. Ah, ce n'est pas dans ce sens que j'ai dit s'il plaît à Dieu. Parce que Dieu aussi peut changer notre programme. N'est-ce pas ah, Comme j'avais le programme de finir le culte à 11h30. Mais il a une euh, affirmation aussi ici. Ah, oui, l'affirmation. Il a une manière digne de vivre selon ce que Dieu nous a enseigné dans Prenez ici euh, dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Dans le verset 48. Verset 48 il dit. Tel est le céleste. Tel est le céleste. Tels sont aussi les terrestres. Pardon. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Qu'est-ce qu'il voulait dire ici Je sais que la traduction là, c'est comme si, qu'est-ce qu'il dit oui. Il faut la Nous, nous devons, nous devons être comme qui Comme Christ. Si nous ne sommes pas chrétiens, ah, nous sommes comme le monde, on n'a ah, pas de choix. On ne peut pas dire je vais être comme Mahatma Gandhi. Hein? Ah, je vais être comme euh, euh, Bouddha. Je vais être comme euh, euh, le prophète Mohamed. Non, soit nous sommes chrétiens, ah, ah. Où eh? nous sommes du monde. Où nous sommes célestes. Où nous sommes terrestres. Eh? Les terrestres. Ils vivent comme un terrestre. Ils ne vivent que les choses de cette terre. Ils ne vivent que pour les choses de cette terre. Ils ne vivent que pour le profit de cette terre. Ils ne vivent que dans la souffrance. La monnaie, Là-bas où oh Dieu sera dans la lumière. Si vous comprenez ça, différence, on ne peut pas dire. Hein? Non, celui-là, il est ah, un peu ah, ah, proche de Dieu. Il n'est pas tellement proche comme nous les chrétiens, mais il est un peu. Non, il n'a pas un peu. Soit on est terrestre. comme nous sommes il y a des gens qui ne, regardent même pas dans l'église. L'esprit qui nous unit. Donc si vous ne regardez pas tenir votre communion avec ton frère, de la présence du Saint-Esprit, c'est un manquement. Dans la vie d'un chrétien, il ne faut pas penser que vous ne les regardez pas parce que vous êtes supérieur. Vous n'êtes pas supérieur, vous ne pas supérieur. Au contraire, vous êtes inférieur. Ah, ah, parce que la Bible dit, l'apôtre Paul nous enseigne à être inférieur les uns envers les autres. Et c'est montrer inférieur les uns avec les autres. Pour qu'on puisse honorer les uns les autres. On ne peut pas honorer les uns les autres sans les uns devant les autres. Mais quand les là on voulait que les altations. On ne peut pas vivre en communauté, on ne peut pas vivre en union, on ne peut pas vivre dans l'unité de l'esprit. Parce que c'est que l'esprit de Dieu c'est un lien indestructible. Indestructible. Serve para a diferença. C'est comme ce qui euh, a, dit à, à ma femme à moi. C'est a lien indestructible. Dépendant de tout ce qu'elle est. parle de tout ce que j'ai fait, de tout ce que je pense, de tout ce que quelqu'un pense. C'est le Saint-Esprit qui a créé un lien indestructible. Le monde ne peut pas détruire. Nos différences ne peut pas détruire. Ce que l'extérieur peut produire ne peut pas détruire. Parce qu'il a un lien indestructible. Le saint crée esprit, c'est le fondement de notre citoyenneté céleste. Le Saint-Esprit. Le gardez ça dans votre cœur. Hein, c'est le fondement de notre citoyenneté. C'est le fondement. Ce n'est pas euh, un don spirituel. Ce n'est pas combien de fois je fréquente l'église. Ou même combien de fois je fréquente votre maison. Ce qui nous unit d'une façon euh, avec un, lien indestructible. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc nous sommes animés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui crée ce lien parmi les croyants. Même quand on ne se connaît pas, on est lié parce que le Saint-Esprit nous lie d'une façon Enfin, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez battu. J'étais prisonnier, j'étais malade, vous avez rendu visite. Et les, les, les, ont dit, Seigneur, mais quand on t'a dans cette situation, c'est qui vous voyez un des, un des frères, un des disciples, un des Donc si vous le faites, hein, vous faites C'est dans ce même esprit que nous devons vivre. Donc c'est ça les liens que les crée Si je fais pour Marianne, je fais pour vous. Donc, si tu fais quelque chose pour Marianne, il ne faut pas dire parce qu'il il aime Marianne. Non, il vous aime pour cela, il a fait pour Marianne. Parce que quand on fait pour Marianne, on fait pour vous. Parce que sa bénédiction, c'est ma bénédiction. Votre bénédiction, c'est ma bénédiction. Ma bénédiction, c'est votre bénédiction. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Peut-être que je suis en train de parler trop vite même vous êtes habitué non oui moi je n'aime pas parce que moi, je voulais être sûr que vous compreniez ce qui est. Sinon, c'est inutile ma présence ici devant. Mais j'ai crié, crié, crié. Et après, on vous demande, vous avez compris. oui, oh, oh, oh, Mais rien, après. Ah, c'est juste parce que c'est c'est bien d'entendre parce que chaud, chaud, Il est rempli de l'esprit depuis rempli de l'esprit, c'est celui qui fait bruit. Non, pas toujours. Hein. presque est que vous comprenez ce ne fait pas dire nous sommes Les pentecôtistes, ils sont basés et fondée sur l'unité, la communion et la sainteté. C'est la communion et la sainteté. C'est ça les, les, les pentecôtistes, l'église, le peuple c'est la même chose. Les historiques, les pentecôtistes, tout hein, c'est la même chose. Nous sommes liés en Christ par les saintetés. Ça ne dépend pas des négris changer ma voix pour vous dire que j'ai la puissance. Généralement, quand je prends les micros, je change ma voix, je suis possédé. Vous savez pas comme ça. Moi, je voyais ça dans les fétiches. Vous savez pas comme ça. Les prêtresses là.

parler comme femme. Même ah, des hommes. tu vas trouver des hommes qui parlent comme femme là euh, parce que l'esprit a descendu sur lui. Et par l'esprit, tu vas venir aider. Hein.

C'est sa parole qui manifeste ah, la C'est sa parole qui manifeste ah, la puissance. C'est parole qui manifeste la Ce n'est pas le ton de ma voix. Ce n'est pas comment je parle. Ce n'est pas la langue que je parle. Je parle parler portugais, français, euh, anglais, euh, espagnol, Je peux parler tout. Dieu entend toutes les langues. Dieu comprend toutes les langues. Pour cela, je vous encourage aujourd'hui. Parce que parfois, il y a des frères. et hein. quand je dis comme ça, priez dans ta langue. Moi, je loue Dieu beaucoup pour la vie de Marianne. Ah, Parce que parfois, je lui donne le micro. Ah, je dis, Marianne, il faut prier en Zimba. C'est sa langue. Il aucun problème pour prier. Hein. Mais il y a des gens, quand on dit, prier dans ta langue, y a parce que je ne sais pas. Est-ce qu'il n'a pas un problème dans ça? Est-ce qu'il n'a pas un petit problème? Est-ce problème? Non, parce que donc ça veut dire que vous répétez ce que vous entendez. Et la prière, ce n'est pas répéter ce que vous entendez. Ça, c'est au catholicisme. Hein. Au catholicisme, il nous donne les prêtres. Et là, tu vas répéter. Donc. Je ne sais pas si j'étais catholique avant. Hein. Mais c'est comme ça, il donne ah, les prêtres. Vous allez prendre et répéter toujours ça. Toujours, comme euh, euh, nos amis musulmans, ils font toujours la même chose il ne peut pas dévier un peu. Il ne peut pas laisser le cœur parler. C'est comme si son âme n'existe pas. Parce que son âme ne parle pas. C'est sa bouche qui répète ce qu'il entend. Donc, si tu n'arrives pas à prier dans ta langue, c'est le moment de commencer à apprendre. Parce qu'il va parler ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, je suis fier des frères qui parlent, qui prient dans sa langue. Je comprends ce qui. Euh, ont comme langue française d'abord. Je comprends. Mais parfois, des gens qui ne parlent même pas français, ils se débrouillent parfois mal, mal plus que moi. Et quand on leur dit de, prier dans sa langue, ils disent ne peuvent pas moi, là, tu n'as aucune prière. Parce que ton cœur doit parler. N'est-ce pas Voilà. Les raciocines doivent fonctionner. Et moi, si vous me voyez prêcher en portugais, ah, certainement vous allez dire une autre personne. Ah, hein, c'est différent. Ah, on ne sait pas différent. Si je vous dis prêcher dans votre langue, la langue qui est à vous, certainement ça va sortir, non Bien, bien les mots. bien, bien oui, nous, là, on, a des verbes, conjugaisons, des temps. <laughs> Il y a même, j'ai dis, un grand pasteur président prêché. Il y a des moments où les verbes s'échappaient, il voulait conjuguer les verbes dans ses phrases, il n'arrivait pas. Il fait comme moi, il, fait comme moi, se débrouille alors. Ah, sa langue est ah, portugais. Mais la langue là, aujourd'hui, c'est compliqué.

Parce que vraiment, on, on apprend à répéter seulement ce qu'on entend dans l'église. Et nous tous, nous devons avoir cette liberté de parler dans notre langue. Sauf si on exige qu'on parle français. Et là, dit vraiment, c'est vraiment, je ne peux pas. Mais si c'est ma langue, ah, ah ça là, je vais mettre prêt pour arracher mon micro. Parce que je ne vais pas laisser. Je ne vais pas arrêter. Eh, Parce que j'ai des choses à dire à Dieu. J'ai des mots à parler à eh, Dieu. J'ai des grâces à rendre à Dieu. Eh, j'ai des remerciements à dire à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? il y a beaucoup de chrétiens. Quand ah, ont dit non, je ne peux pas prier dans ma langue ah, si on ne parle pas français, on ne peut pas parler à Dieu dans notre langue. Donc je dis c'est notre problème, c'est pas la langue. Hein. Pas la langue. On ne fait pas comme ça. Oui, ma femme là, si tu dis des prières. Elle peut commencer à prier en français. Un peu de temps. non, il faut, prier encore. Elle va commencer portugais. Ah, ah, ah, Parce qu'elle veut prier, prier. C'est être à l'aise devant Dieu. Être véritable devant Dieu. Et a dans ton âme, dans ton cœur. Et quand hein. tu fais cela, c'est la prière. Le brisement des cœurs.

大丈夫です。 Oh, Qu'est-ce qu'on fait? On prie. Ah, je ne parle pas français. Ah, je prie français. Non, je prie en Il que Je Il faut que c'est pas lui qui nous a donné cette langue. Est-ce que c'est pas la volonté de Dieu qui tu euh, dans une famille alpha Est-ce que dans une famille brésilienne? Dans une famille brésilienne. Dans c'est pas Dieu qui, qui vous a amené au monde. C'est pas Dieu qui a soufflé la vie en vous. Mais lui. Donc pourquoi est-ce que vous allez naître au Togo?

chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, quelqu'un peut lire pour moi. Verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.

Salang. Salang. C'est Salang. Est-ce que tu ne parles pas votre langue? Est-ce que tu se voir une salon? Pour que vous soyez à l'aise. Quand on est à l'aise, nous marquons. Le même esprit avec lui. Même tenir ta vie folle. C'est français, c'est français. Parlez français. Al français, non, c'est le français. Je comprends. Il y a des gens qui ne, ne parlent la langue au pays. Vous ne pouvez pas comme ça. Ça ne coule pas. Vous ne pouvez pas comme ça. Il y a des gens. Hein. Pour y avoir non à cause d'être là, on est grandi ici. Oh, oh. La langue commence à partir. Hollande langue est toujours en train de parler français Mais il parle aussi. Sa langue. Même moi je le dis, parlez ta langue. Hein. Ah, Vous comprenez quelque chose? Ah, Dieu nous appelle à être un esprit avec lui. Donc mettons-nous debout.

Baba, you tunajitanda, hivyo kipo sujudu, nisegane hivyo kimayo Benedict, jari saa kumi yenu ndio ilipozama, nitia baba hana, nitia baba kama tutise baba mame, nifanye kwa hivyo Música